et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalongo. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro, nous allons tout d'abord parler du retrait du Burkina Faso et du Niger de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel ainsi que la dénonciation par le, par les gouvernements de transition du Niger et du Mali de deux conventions signé signée avec la France en matière de coopération fiscale. Ensuite, zoom sur les assises de la 28e conférence des partis sur le climat de l'ONU COP28 qui se déroule du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Enfin, nous parlerons des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le genre qui se tiennent dans tout le monde entier du 25 novembre au 10 décembre 2023. Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Memouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Nafisa. journaliste indépendant également bonsoir. Bonsoir. Arimi Abba, journaliste à la radio Alternative, bonsoir. Bonsoir Nafisa. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum de la presse. Le samedi 2 décembre 2023, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de se retirer de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel. C'est ce qu'ont indiqué les deux pays dans un communiqué conjoint relayé par la presse. Une décision qui a pris effet dès le 29 novembre d'ailleurs, Indique les deux pays. Selon Ouagadougou et Niamey, l'organisation peine à atteindre ses objectifs en mai 2022, le Mali avait déjà quitté le G5 Sahel, invoquant une organisation instrumentalisée par l'extérieur. Alors je commence par vous, Amemouna Djado. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision des autorités de transition du Niger et du Burkina euh, Merci Nafisa. Euh, cette décision, moi, je, je la trouve salutaire et ici même, euh, je me rappelle, j'avais évoqué la situation du G5 Sahel où mhm. je, me disais que euh, le G5 Sahel devrait même disparaître depuis. Parce que je ne vois pas son efficacité, mhm. je ne vois pas en tout cas son efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Sur le terrain, c'était pas visible également Sur le terrain. Donc, parce que euh, tout simplement, quand on regarde sa présence ou non sa présence, en fait, sa présence n'a rien arrangé du côté donc euh, de la zone des trois frontières. Alors qu'elle euh, avait pour mission de lutter contre le terrorisme dans cette effectivement. Et quand vous regardez, dès que le Mali s'est retiré, mhm. je me suis dit, dans ce cas, ça va, rester quatre pays. Et dans les quatre pays, si deux, <laughs> les deux aujourd'hui se retirent, la Mauritanie ça reste la Mauritanie et le Tchad. le Tchad, on peut comprendre que le Tchad avait envoyé un contingent pour, euh, au niveau donc, du Mali pour pouvoir euh, euh, participer à ramener la sécurité mhm. donc, au, niveau donc, du Mali. Mais ce qu'on voit moins, c'est surtout la Mauritanie. C'est la Mauritanie que on ne sent pas sa présence, ni sa présence physique, ni sa présence morale, ni même évoquer cette situation de crise d'insécurité au Sahel. Mm, mm. On n'entend pas la Mauritanie dedans. Mm, Donc, moi, je Ils ont d'ailleurs que... communiqué avoir pris acte euh, du retrait du La Mauritanie ne peut, ne, peut, que prendre acte puisque ça ne reste que le Tchad et la Mauritanie. Et maintenant, on ne parle plus de G5, on va parler plutôt de G2. Et je pense que vraiment, c'est salutaire. les trois présidents ont bien réfléchi maintenant, c'est de renforcer l'AES. oui, oui, c'est de renforcer l'AES. Il ne faut pas donner la possibilité à, des gens, mhm. en tout cas, de faire une comparaison entre l'AES mhm, mhm. et le G5 Sahel. Je pense que l'AES, aujourd'hui, avec les trois présidents, les trois euh, présidents sont des militaires. Je pense que ça pourrait peut-être changer euh, changer la donne mm-hmm. et ça peut influencer également d'autres pays, pourquoi pas, mm-hmm. à rejoindre aussi l'AES. D'accord. Même si euh, euh estime qu'il ne faudrait pas faire une comparaison entre euh, le G5 Sahel et l'Alliance des États du Sahel qui est créée par ces trois pays pour lutter contre le terrorisme sur toutes ses formes, Arimi, pensez-vous vraiment que l'AES sera à la hauteur Oui, d'ailleurs. <clears throat> Bon, le G5 Sahel, d'abord, il faut dire que c'est fini pratiquement. Oui, euh, c'est fini parce que c'est les mhm. deux pays euh, situés à l'extrême est et ouest qui restent. C'est les pays qui sont, je dirais, les moins concernés même par le problème de sécurité. Certes, le Tchad mhm. est un tout petit peu touché euh, par Boko Haram. Mais la Mauritanie, euh, ils ont la réputation d'ailleurs de n'être pas euh, être agressés du tout. Comme l'a dit. voilà. Et donc, ce qui fait que du coup, du coup, le, le G5 Sahel tombe. parce que dans tous les cas, on sait comment cette structure, cette organisation a été mise en place, n'est-ce pas C'était avec euh, une, vraiment un renfort mhm. médiatique euh, de l'ancien colonisateur, mhm. n'est-ce pas D'ailleurs, euh, des cinq pays qui étaient que constituaient les G5 Sahel. Mhm. malheureusement, ça n'a pas marché. Ils en ont mis un peu dans la cagnotte, mais personne ne les a suivis. Et d'aucuns avaient même estimé que le grand voisin du Nord, l'Algérie, n'était pas très d'accord avec cette force-là. Et bon, voilà, c'est arrivé à son euh, à sa fin. Maintenant, Maintenant, c'est pas dans le même contexte que l'AES euh, est mise en place. Là, c'est les deux pays, les trois pays qui sont venus euh, d'eux-mêmes, qui se sont concertés, qui sont réunis aujourd'hui par une, comment on appelle, unité de destin. Mm et qui ont accepté de mettre. Et ça ne concerne pas a priori que la sécurité. Oui, la sécurité, c'est ce qui a entraîné mm-hmm, mm-hmm. toute cette situation qu'on connaît, y compris mm-hmm. d'ailleurs les coups d'État. Euh, chacune, euh, chacun des groupes qui ont pris le pouvoir euh, dans les trois pays, chacun a mis aussi entre autres vraiment facteurs ayant favorisé les coups d'État, notamment comment est-ce que euh, la sécurité est gérée mhm. dans leur pays. Mais aujourd'hui, les défis se posent à cette alliance pour vraiment faire face à toute cette insécurité qui prévaut dans oui, cette Oui, justement, justement, c'est pour faire face à mhm. ça. Et après avoir vraiment fait euh, l'expérience aujourd'hui, ce n'est pas dans mhm. le même contexte que le, G5 Sahel. Là, certainement que les instigateurs ont vu venir euh, toutes ces choses-là et ont peut-être voulu couper l'herbe au pied, sous le pied des gens. Mhm. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qui est voulu, euh, ne serait-ce que par les, les, responsables aujourd'hui euh, qui dirigent ces pays-là, c'est vraiment l'alliance. Et mhm. l'alliance, je crois que même dans sa mise en place, dans les facteurs qui ont conduit à, sa création euh, est différente quand même de G5 mhm, Sahel. Mhm. D'abord, c'est trois pays, mhm. n'est-ce pas Et trois pays qui euh, partagent vraiment des zones euh, précises et qui sont foncièrement affectés d'ailleurs c'est par le même problème par, par, le même problème par le même occupé par le même peuple par on en a parlé tellement mm. donc c'est un peu différent mais aussi ils veulent aller au-delà euh, au vu des débats qui se fait euh, sur euh, la facilité de, la circulation, mhm, mhm. sur une alliance économique, sur la monnaie, donc il y a plein de choses qui se disent, même si même si, à mon avis, on doit être très serein. Déjà, on fait face à une structure qui a échoué. Et tout n'est pas de créer une structure, c'est vraiment de la faire vivre. Parce que là, il y a un contexte mhm. qui met les trois, les dirigeants des trois pays ensemble. Mhm, mhm, Est-ce que les choses, quand ça évolue, ça sera le même engouement Est-ce que les gens vont continuer Est-ce que ça survivra euh, on espère à la fin, vraiment très prochaine, mm-hmm. on espère de, la sécurité. Mm-hmm. Alors vous, Senissa, est-ce que vous pensez que comme euh, Arimi euh, pour, le G5 Sahel, c'est un avenir incertain et que vraiment le Niger, le Mali et le Burkina ont tous leur raison d'avoir quitté cette instance, institution oh, Quand on regarde un peu le G5 Sahel, quand mhm. on regarde comment le G5 Sahel a été piloté depuis mhm. sa création, mhm. quand on scrute qui était derrière le G5 Sahel, notamment la France, qui dictait comment les choses doivent se passer au sein de ce G5 Sahel-là. Quand on voit les manipulations et tout et tout, par rapport à des, comment vais-je dire, à, ce qui s'est produit dans les trois pays, c'est-à-dire des renversements de régime par l'armée, le Mali s'est retiré le premier. Le Mali, c'est l'épicentre même de la crise. 2022, Parce que tout simplement, on a dit on ne va pas remettre au Mali la présence tournante. À l'occasion du sommet qui s'était tenu à N'Djamena, on a dit parce que le Mali est un pays, comme avait dit, le Niger, le Burkina et le Niger se sont retrouvés dans la même situation. Mhm. Déjà, avec le retrait du Mali, l'organisation est fragilisée. on ne peut pas combattre le djihadisme tant qu'on ne le fait pas ensemble avec le Mali, avec le Burkina. Mm-hmm. C'est les trois pays les plus concernés, par les attaques. C'est les trois pays qui pactent le Liptako Gourma, mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. Le Tchad et la Mauritanie, la Mauritanie du moins, du reste n'a jamais été confrontée à, ah, des attaques. Pendant pratiquement, ça fait que... vous voyez un peu l'aberration de cette organisation. On allait mettre le siège même de l'organisation en Mauritanie en octobre. Il y a une aberration. Là où il n'y a pas de conflit, c'est là-bas on amène le siège. Mhm, mhm. Maintenant, moi, je crois fermement. Et je crois pourquoi Parce qu'on a vu un peu comment les chefs d'État, les cinq pays, les, cinq pays se sont déployés pour mobiliser les ressources. Mhm. C'est un peu moins de 400 millions d'euros pour faire financer la force conjointe composée de 5 000 hommes. Ils ont fait des pieds et de mains. Ils n'ont pas pu mobiliser. En tout cas, la communauté internationale n'a pas pu apporter ce soutien nécessaire. Mmh, mmh, mmh. On avait demandé à chaque pays d'amener 10 millions, 10 millions de dollars, 10 millions de dollars. Chaque pays était engagé à verser les 10 millions. Mais en dehors de la France qui avait donné quelques véhicules pour le fonctionnement, et l'Union européenne qui avait annoncé à l'époque qu'elle allait donner 50 millions d'euros. On ne sait pas exactement. Aujourd'hui, vous pensez que l'AUS pourrait pleinement jouer ce rôle de lutte contre le terrorisme, oui. Mhm. Et les moyens sont disponibles, les moyens, logistiques. on va se donner les moyens. Euh, on s'est déjà donné les moyens. Mhm. Aujourd'hui, dans le cas de cette lutte, quelque part, je peux considérer que nous sommes même le maillon faible. Mhm. En matière d'armement, à partir du moment où le Mali a décidé que la France s'en aille, le Mali a doté, a renforcé les capacités et les preuves sont là. Kidal qui était resté là, une espèce d'enclave, ils ont l'armée malienne a repris Kidal hmm. pour carrément créer les conditions de, l'entité malienne, hmm, hmm, n'est-ce pas Sans les Français, sans, les forces des Nations Unies. Ça veut dire que la force malienne aujourd'hui n'a rien à envier. Les Burkinabés, c'est la même chose. Alors qu'à l'époque, on avait une armée beaucoup plus solide que ces armées-là. ils ont des mm. drones, ils ont des mm. avions de mm-hmm. chasse, ils ont mm-hmm. tout. Ils sont autonomes. Et sur le terrain, c'est visible eh, eh, avec les récentes attaques, euh. Alors, ils se sont mis ensemble, ils mm-hmm. ont compris qu'ils n'ont pas besoin de financement. Moi, je dis une chose, hein, que les gens ne comprennent. On a nos ressources. Le Mali, c'est un grand producteur d'or. Mm. Le Burkina, c'est un grand producteur on peut créer les conditions pour que ça puisse vivre de manière autonome mhm. sans l'aide de quelqu'un. Il y a lieu, il y a lieu donc pour ces trois pays de renforcer davantage oui, coopération. Mhm. Mais il faut mhm. voir l'activisme. Depuis qu'on a créé l'AES là, il faut voir l'activisme les réflexions vont dans tous les sens. Mhm, mhm. On va faire notre monnaie, on va se retirer, on va faire ceci, on va faire cela. Est-ce qu'ils sont couchés c'est pas quelqu'un qui dit l'agenda des réunions. Mhm, c'est les chefs d'État et c'est les ministres des Affaires étrangères, les ministres des Finances et des Économies de ces différents pays qui disent, voilà, qui se réunissent régulièrement. Et c'est ça le plus important parce qu'on sent qu'il y a une volonté derrière le, comment on veut dire. Parce que il n'y a rien qui a suivi. C'était un instrument entre les mains de la France, le mhm, G5 mhm, Sahel. Mhm. Et aujourd'hui, ils ont fait, le Tchad et la Mauritanie, du reste, ont fait un communiqué pour, constater, pour constater que le, le G5 Sahel a disparu. Parce qu'on dit que dès que trois pays s'en vont, L'organisation cesse de fait d'exister. Alors, une autre décision, c'est celle des gouvernements de transition du Niger et du Mali qui, dans un communiqué conjoint publié le 5 décembre, ont annoncé avoir procédé à la dénonciation de deux conventions signées avec la France en matière de coopération fiscale. Les autorités des deux pays justifient cette décision, je cite, par l'attitude hostile persistante de la France contre les intérêts des deux États ainsi qu'à leur caractère déséquilibré qui engendre un un important manque à gagner au Niger et au Mali. Rappelons qu'en juillet dernier, le Burkina Faso avait déjà mis aussi fin à la convention fiscale de non-double imposition qui le lie à l'ancienne puissance coloniale. Je reste toujours avec vous, Ousseini. Euh, que comprendre d'ailleurs à travers cette convention fiscale de, non de double imposition ça montre qu'on est dans une dynamique. Il faut, il faut, dénoncer mhm. tout ce qui nous lie à l'ancienne mhm. puissance mhm. colonisatrice. Oui, pour le simple citoyen, pour comprendre cette double imposition, qu'est-ce que cela impliquait ça oui. que, dit que les sociétés françaises qui sont implantées dans nos pays, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas des impôts ici, ils payent ailleurs. N'est-ce pas dans leur pays d'origine En France, les sociétés françaises et tout, ils ne payent pas chez nous. Alors qu'ils exercent eh, ici, ils, ont leur activité dans le pays. Il y a combien de, sociétés nigériennes qui sont implantées pour mhm. gagner des marchés mhm. en France mhm. Combien de sociétés burkinabées qui sont implantées, qui gagnent des marchés Quelles sociétés malienne est implantées et faire des bénéfices c'est quand vous faites la comparaison, il y a Satom qui gagne des gros marchés pour la construction des routes. Il y a Bolloré qui est venu, qui gagne beaucoup de choses. Qu'on dise, et on leur fait même des, facilités en mhm. matière, comme avait dit euh, le régime, c'est mhm. des investissements et tout et tout. Ça veut dire que c'est beaucoup d'argent que nous perdons. Mhm. Et c'est une convention qui datait des années 70. Mais à partir du moment où la France se montre hostile vis-à-vis -vis de nous, mais bien évidemment, il faut qu'on rétablisse. Dans tous les cas, c'est nous qui sommes bénéficiaires. Maintenant, c'est ceci là ces sociétés comme ça tombe. Les gros marchés de construction de routes et autres, mhm. le plus souvent, c'est ça tombe. Mhm. C'est des sociétés françaises qui gagnent ça. Mhm. Parce que ça aussi, ça fait partie d'une convention où quand il y a des marchés, prioritairement, c'est les sociétés françaises qui doivent euh, euh, être, privilégiées dans des conventions, dans, le pacte colonial qui a été signé à partir de 62 ou 61 après les indépendances. Alors, ce n'est que de bonne guerre que nous disions que nous n'avons plus besoin de toutes ces choses-là. Mhm. Retournez chez vous. Si vous voulez travailler, vous allez payer, les impôts. Mais alors, parce que c'est beaucoup d'argent. Hein. C'est pas, c'est pas. Alors que nous. Mais comment comprendre que ces genres de conventions soient signées même temps à l'époque mais, <laughs> à l'époque, on a eu les indépendances et mhm. difficilement même, mhm, parce qu'il y a des chefs d'État qui se sont opposés, les leaders qui s'étaient opposés. La forme d'indépendance là, comme Sekou Touré, il avait dit non. Moi, je vais je, préfère y compris par rapport à la monnaie. Hum, hum, hum. Mais comment comprendre On est venu, on a trouvé qu'il y a une situation où on va se retrouver un peu, mais ce n'était pas des indépendances en vérité. C'était juste lâcher un peu du lest pour nous permettre un peu de souffler, mais ils étaient derrière pour contrôler tout ce qu'on <laughs> faisait dans nos pays. Ils étaient derrière pour décider de comment nous, conçoivent le développement pour nous. Alors, mais Mouna, cette décision donc est à saluer, euh, cette décision de ces, pays euh, de transition. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Oui, oui, je pense comme ce que Hussein vient de dire. <laughs> C'est vraiment salutaire, hein. mm-hmm, mm-hmm. parce que je suis dans cette dynamique que vraiment les choses doivent changer. Mm-hmm, et quand je dis les choses doivent changer, pour ces trois pays, les choses doivent changer et la population doit sentir quand même qu'il y a un changement. Et dans ces changements, c'est bien d'aller vérifier les conventions. Les conventions qui aujourd'hui n'arrangent pas ces trois pays. Ça veut dire tout simplement que euh, s'il y a encore d'autres conventions qui peuvent être encore annulées, mhm. que ces conventions soient annulées, pour le bonheur de ces populations-là. Parce qu'on en a trop donné, on en a trop patienté et ils nous ont en tout cas, <laughs> ils, nous ont soutiré beaucoup de nos richesses et aujourd'hui, regarde à tel point ou comment est-ce que ces populations, aujourd'hui, les populations du Sahel vivent. Mm-hmm, mm-hmm. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous n'avons pas les richesses. Mm-hmm, nous avons les richesses, mais c'est la manière dont nous, on nous donne ces richesses-là. On nous exploite et on nous donne un petit, Oui, des, miettes pour que, mais est-ce que ces miettes-là aujourd'hui, ça a permis de développer les pays Ça n'a pas permis de développer les pays. Alors, je pense que c'est bon. Oui, Armi, un mot sur cette euh, décision de ces pays de mettre fin euh, à cette convention fiscale de non-double imposition qui, lie, euh, qui les lie à la fin. Oui, tout à fait. moi, à mon avis, cette question mérite d'ailleurs plus d'éclaircissement qu'une interprétation faite par nous autres mhm. journalistes. Mhm non spécialisés en matière de fiscalité. Mhm, mhm. Euh, on pourrait essayer, par exemple, en un an, en deux ans, trois ans, euh, qu'est-ce que euh, les entreprises françaises qui sont au Niger ont versé à leur État en mhm. termes d'impôts, parce que il y avait cet accord-là, et qu'est-ce que le Niger a reçu des entreprises installées par des Nigériens en France. voilà, parce que c'est vous savez, c'est beaucoup d'accords qui lient, euh, les gens citent surtout les 11 accords, mhm. n'est-ce pas, qui lient l'Afrique, en fait, les pays africains colonisés par la France euh, à la France. Mhm. Et souvent, euh, c'est malheureusement vraiment des partages léonais qui n'arrangent en aucun cas les, pays. donc que ça soit dénoncé, je crois que euh, c'est la bienvenue, c'est mhm, une mhm. très bonne chose pour, euh, pour nous, mhm. n'est-ce pas, quitte à renégocier des choses. Mais après euh, cette dénonciation, qu'est-ce qu'il y a Mais écoutez, il n'y a pas un vide qui se crée. Ça, veut dire tout simplement que les, entreprises françaises installées au Niger vont désormais payer au Niger et les entreprises nigériennes installées en France vont payer à la France. Et c'est sûr que c'est nous qui gagnons. D'accord. Oui, rapidement pour clôturer ce chapitre, oui même que leur salaire là, ça soit en franc CFA. Parce que les expatriés qui sont mhm. ici ne sont pas payés sur la base du franc CFA, mais oui, Arimi, rapidement, nous oui, normalement, parlant des expatriés, euh, normalement, il y a ce qu'on appelle l'UTS, mhm, mhm, qu'on paye nous autres euh, fonctionnaires euh, nigériens. Mais tout, tout laisse croire que les expatriés qui sont au Niger payent leurs impôts. En fait, leurs salaires, leurs salaires sont payés chez eux. C'est-à-dire versé dans un compte qui est créé à leur nom, dans leur propre pays. Avec leur carte aujourd'hui, ils peuvent tirer des petites choses, pour... Mhm. mais l'essentiel de leur argent est versé euh, là-bas. Mhm. Pour ne pas citer, on peut parler quand même euh, de beaucoup d'organisations, sans compter les ONG et mhm. les humanitaires, mais on peut compter quand même, comme, comme l'a dit, Satom, Orano, euh, et souvent, c'est tellement flou mhm. que Orano, par exemple, s'est soutenu, s'est créé. Est-ce que c'est juste une c'est multinationale ou c'est une, entreprise mhm, euh, mhm, euh, française enregistrée en France euh, C'est certainement le cas. Mais s'ils doivent nous verser, c'est beaucoup d'argent qu'ils doivent nous verser. Surtout que il s'agit quand même de biens extraits, extraits de notre sous-sol. Moi, je pense que c'est, il faut le dénoncer les gens le connaissent en réalité. Et c'est fait. Euh, vous savez, comme euh, l'a dit, notre euh, indépendance, mhm. c'est peut-être le lieu de le dire, a été acquise quand même dans des conditions aussi qu'on connaît. Mhm, mhm. Euh, ceux qui dénonçaient la France, ce n'est pas eux qui ont eu le pouvoir dans C'est un, premier, un premier pas. C'est un premier pas avec cette dénonciation et le temps nous, nous en dira plus sur la suite de cette situation. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Deuxième sujet de ce forum de la presse, la 28e conférence des partis sur le climat de l'ONU COP28 se tient depuis le 30 novembre à Dubaï. Cette rencontre vise à résoudre la crise climatique en s'accordant sur les moyens de limiter la hausse des températures à 1,5 degrés Celsius et de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050. L'opérationnalisation du fonds de financement des pertes et dommages et le transfert des technologies sont les principales attentes de l'Afrique de cette COP selon les acteurs de l'environnement. Je vous propose d'écouter Sani Ayuba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes volontaires pour l'environnement du Niger. Pour notre continent, le plus important, c'est la question des pertes et dommages causés par le changement climatique. L'année dernière, à la COP 27 en Égypte, nous avons obtenu un accord sur la mise en place d'un fonds dédié au financement des pertes et dommages. Donc, euh, l'enjeu principal à cette COP, c'est de pouvoir déterminer clairement les mécanismes visant son opérationnalisation, puisque c'est un fonds d'urgence, on ne peut pas attendre encore plus longtemps continuer à négocier, à négocier. Maintenant, l'autre euh, question importante, c'est la question du transfert des technologies. Aujourd'hui, l'Afrique mérite le développement. L'Afrique a des matières premières. Si on n'aide pas l'Afrique à se développer d'une manière sobre en carbone, en transférant les technologies, l'Afrique peut tenter aussi d'emprunter le même chemin qui nous a conduit vers ces changements climatiques, c'est-à-dire l'utilisation abusive des énergies fossiles. C'est-à-dire que l'engagement qui a été pris euh, par les patients en termes financiers qui n'est toujours pas respecté. C'est les 100 milliards de dollars par an à partir de 2019 qui n'est pas respecté. Il faudrait que à cette COP qu'on ait de la mobilisation, que ça ne soit pas euh, une COP de plus aussi en termes d'engagement. Selon vous, qu'est-ce qui a jusqu'à aujourd'hui bloqué ces financements pour euh, mettre en œuvre les accords de Paris Je pense que c'est une question premièrement de volonté politique parce qu'aujourd'hui, quand ça soit les sociétés civiles au niveau mondial, africaines, européennes asiatique, américaines se sont tous mobilisés pour dire qu'il est important qu'il y ait ce respect des engagements en termes de financement. La science aussi a parlé, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a sonné l'alarme pour dire que si rien n'est fait, nous tendons vers un point de non tout. Alors, euh, nous revenons dans ce studio. où Issa, vous venez d'écouter euh, Sani Ayuba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement du Niger. Euh, quelle réaction après écoute D'abord, moi, cette rencontre-là, périodique, je considère que c'est un cirque. C'est-à-dire C'est un véritable cirque où c'est les grands qui viennent, qui donnent le pouvoir de décision. Tous ces nos pays qui vont. Non, non, mais la, question de l'environnement qui oui. Qui Qu'est-ce que nous polluons, nous Ils sont les grands pollueurs. Mm. C'est eux qui ont les industries, les énergies fossiles, c'est ça ils ont utilisé pour se développer. Mm. Aujourd'hui, ils viennent, ils font la fixation sur des pays pauvres comme les nôtres. Qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'en matière même d'exploitation des énergies fossiles, on est à quel niveau mm. ils ont passé depuis le 19e siècle, ils étaient dans les énergies fossiles pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, ils ont pollué à l'extrême. Et on réunit tout le monde, on dit, mais c'est les grands qui décident là-bas. J'ai mhm. couvert au moins trois copes, mhm. dont un à Durban, mhm. en Afrique du Sud. Et j'ai vu comment les choses se passent. Ou c'est les grands-là qui décident en dernier ressort. Ils prennent des engagements par, par rapport au financement et tout, et tout, l'accompagnement. Mais malheureusement, ils ne vont jamais respecter. Mhm. C'est juste un c'est ça que Et à la date d'aujourd'hui, ils déplorent cette question ça, de financement. Il faut que les gens cessent de, de, se faire, comment de, de se bercer d'illusions mhm. pour penser qu'on va trouver. Ils vont trouver des accords, les gens vont, les médias vont acclamer, il y a mhm. eu accord sur ceci, il y a eu accord sur... ceci. Ils ne vont jamais respecter. Parce que personne ne va vouloir ralentir ces activités industrielles, mhm. n'est-ce pas Nous n'avons pas encore, nous ne polluons pas grand-chose. Mhm. On devait nous rembourser, c'est-à-dire le, le fonds carbone et tout et tout, mhm. mais malheureusement, ils annoncent mais ça vient jamais. Et malheureusement, c'est l'Afrique, euh, particulièrement le Niger, où le secteur agricole même est confronté à d'énormes défis. C'est les de il, faut, il faut élever l'élevage, machin, des choses comme ça. Mais depuis quand Moi, j'ai dit une chose, hein, il faut qu'on cherche ce qu'on veut en Afrique. Il faut qu'on chasse ce qu'on veut. Le développement, là, passe par l'industrialisation. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mm. Eux ils se sont développés grâce à l'industrialisation. Nous avons les terres, nous avons les matières premières, nous avons tout. Quelqu'un ne va pas me réunir dans une salle pour me dire, alors que en même temps, ils nous empêchent d'aller chez eux chercher l'argent. Mm, mm, ils mettent des barrières. Que les migrants qui vont là-bas, ils vont. Mais alors, qui a créé cette situation Est-ce qu'il y a le transfert de technologie dans nos pays Non, il n'y en a pas, malheureusement. Ils disent aux gens, restez chez vous, ils ne mettent pas. Et même nos politiques, c'est eux qui dictent les politiques qu'on doit mener. Mhm. Politique agricole, mhm. politique, comment dirais-je, mhm. en matière d'industrie, politique en matière d'élevage. C'est eux qui dictent. Alors, à partir de cet instant-là, comment on peut se développer C'est pour ça, c'est pour nous maintenir dans une situation de pauvreté permanente. Et on est dedans. Et tant qu'on ne va pas combattre, dans tous les cas, la planète là, ça éclate là, ça éclate avec tout le justement, monde. Justement, au cours de cette COP28, la déclaration sur l'agriculture, l'alimentation et l'action climatique a été adoptée vendredi 1er décembre par 134 États à la COP28. Mais à ce jour, selon euh, l'envoyé spécial de la Fondation Hirondelle, il n'y a toujours pas de consensus autour du processus de mise en œuvre, euh, indique des négociateurs maliens. Alors vous, Memouna, est-ce que vous pensez que d'ici la fin de ces assises, euh, l'on pourrait trouver un consensus euh, pour le bonheur des agriculteurs. Hmm, est-ce qu'on pourrait trouver un consensus Puisque si le consensus devrait prévaloir, c'est <laughs> justement le début de, cette rencontre même qui devrait l'annoncer. Hmm. Mais déjà, si le début de cette rencontre, euh, les gens n'arrivent pas à être sur euh, les mêmes points, les hmm. être d'accord sur certains points, moi je pense que ça serait un peu difficile, mhm, hein. mhm. mais on souhaite quand même qu'il y ait le consensus. Mhm. Mais je vois que ça ne pourrait pas se faire, Nafisa. Même si ça se fait, ça, sera sur papier et ça ne serait pas exécuté. C'est ça aussi le problème. Alors vous, Arimi, avec aujourd'hui euh, tous ces impacts liés au dérèglement climatique, on sait que la pénurie d'eau, euh, la dégradation des sols, les hausses des températures qui sont en quelques-unes de ces conséquences de l'impact du changement climatique avec tous ces accords, tous ces engagements qui sont pris et qui ne, qui ne sont pas effectifs. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire euh, pour y faire face Moi, je pense que cette histoire, euh, les gens ne sont pas sincères. Euh, on veut une chose et son contraire. Mm. le gars, le monsieur qui a été le plus correct en la matière, à mon avis, euh, je suis désolé, mais c'est Donald Trump euh, qui n'était pas d'accord euh, que lui, il s'est retiré vraiment de ces accords-là et, tout. Mm. Parce que ceux qui ont causé, on le sait, mm. et malheureusement, le réchauffement climatique, c'est une triste réalité. Mm-hmm. Et il n'y a que euh, ce qui est envisagé jusque-là, c'est-à-dire vraiment l'utilisation, la non-utilisation, mhm, je mhm, dirais, mhm. des énergies euh, fossiles, n'est-ce pas euh, qui qu'il pourrait réduire vraiment l'émission de gaz à effet de serre et un peu soulager malheureusement beaucoup de nos pays, à cause de notre peuple, le Niger fait partie des pays les plus impactés, et, les plus vraiment les plus touchés et les plus à risque. parce que euh, on en manque de l'eau déjà et le mhm. manque d'eau, mhm. euh, le réchauffement, la chaleur qu'on vit ces dernières années. Les pluies qui s'arrêtent précocement. Mais aussi au cours de cette rencontre, j'ai entendu pour cette année que par exemple l'augmentation de 1,5 degré d'ici 2030, mhm. euh, c'est inévitable. Ok. et donc malheureusement, qu'est-ce qu'on demande Ne pas utiliser, ne pas vendre l'énergie euh, fossiles. Mhm. Autrement, c'est changer aujourd'hui, mhm. euh, je sais pas, la structure actuelle du monde, mhm, n'est-ce pas euh, les pays là où s'organise le COP cette année, 28, oui, l'Arabie saoudite, les plus riches de ce monde aujourd'hui, ils arrêtent, ils sont pires que nous. Il faut voir ces pays-là avant qu'ils ne commencent à produire le pétrole. Nous, on produit un tout petit peu, on va passer maintenant, on dit à 110 000 euh, barils par jour, euh, euh, et, les gens sont contents. Mais Eux, ils sont à des millions de barils par jour. C'est largement, oui. ok. Mm. Mm-hmm. Et personne ne veut réduire son train de vie, sa production actuelle, parce que ça va impacter son, train de vie, les conditions de vie de sa population et mm, tout. Mm, mm. Et en même temps, on veut que des gens changent. Du coup, c'est des pays de, ce point de vue-là insignifiant comme, comme le nôtre. Euh, vous avez, oui, du pétrole, mais utiliser le solaire, c'est ce qu'on nous convenu. Donc, autrement dit, il y a de l'hypocrisie euh, au niveau international sur cet mhm. aspect-là. Mhm. Et j'espère que c'est encore les effets sur les pays les plus développés mhm. qui va amener à réagir concrètement. Parce que un, moment, on dit, bon, il faut donner de l'argent aux pays comme les nôtres pour lutter contre ça. D'abord, ça ne va pas servir à grand-chose, parce que ce n'est pas nous qui polluons le monde. Ceux qui polluent vont continuer à polluer. Aujourd'hui encore, on sait que désormais, les pays comme les grands pays producteurs de pétrole et de charbon d'ailleurs ne sont plus d'accord. Mm, mm, mm. Parce que ce qu'on leur propose, il n'y a rien. C'est-à-dire, en retour, mm-hmm. ils n'ont rien mm-hmm. et ils ne peuvent pas accepter. C'est comme mm-hmm. s'ils renoncent à leurs conditions de vie parmi les meilleures du monde actuellement pour que nous, euh, les autres aussi, tout le monde. Mais c'est mm. impossible en fait. Et donc, il n'y a que la nature qui va mm-hmm. trancher, à mon avis. Le dialogue, là, cette fois, en fait, c'est comme l'a dit. <laughs> la, COP la euh, se poursuit donc euh, jusqu'au décembre prochain et l'on espère que des décisions favorables seront prises pour favoriser la eh, résilience. Vous êtes pessimiste, Vous êtes pessimiste à mhm. Durban. Il y a mhm. eu des décisions qui ont été prises. À cet instant où je parle, ces décisions n'ont pas été mises en œuvre. COP17, on souhaite un changement, aujourd'hui. COP28 aujourd'hui. Alors, mais ça veut dire quoi Ça veut dire on vient, on se réunit, on discute, chacun vient, il s'est tiré jusqu'à 2h du matin dans une salle. Mhm. Les grands patrons viennent, les industriels et tout et tout. Et après, les gens se séparent. On va aller voir, on, est, on, a avancé. Rien, rien qu'hier, euh, le secrétaire euh, au climat de l'ONU même a, a alerté ou bien à, prévenir les, différents euh, membres, les différents participants de cette COP qu'il ne s'agit pas des questions politiques, mais des engagements concrets à être pris euh, au cours de ces assises, oui. Je crois mhm. que ce n'est pas jouable, mhm, mhm, euh, sincèrement c'est-à-dire des questions comme débourser un peu de miettes pour des pays pauvres, pour qu'ils ne soient pas, parce qu'ils ne sont pas responsables, donc qu'ils soient moins impactés. Peut-être que ça, c'est des choses qu'ils peuvent envisager. Mais tout le reste, sincèrement, pour l'instant, les, gens n'ont pas suffisamment chaud mhm. pour que euh, Merci à vous. Dernier <laughs> sujet, dernier sujet du forum de la presse de ce vendredi 8 euh, décembre 2023. Les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur les jarres ont commencé depuis le 25 novembre dans tout le monde. Une campagne internationale annuelle qui, se tient à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et dure jusqu'au 10 décembre, soit lors de la journée des droits de la personne. Selon Haji Akadi, membre de la coordination des ONG et associations féminines du Niger, Congafen, la dénonciation est un facteur très important de la la prévention de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Niger. Les femmes et les filles ne doivent plus se taire face à une violence basée sur le genre. Mais Mouna, qu'en pensez-vous Je pense que c'est. Elle a parfaitement raison. Parce que plus on ne dénonce pas, ces, ces, filles ou bien ces femmes qui sont violentées ne dénoncent pas, plus ça empire. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui au Niger, cette violence est est, une réalité aujourd'hui ça, euh, c'est une réalité. Même mhm. si on ne veut pas le dire, il faut le dire. Mhm. Parce que tout simplement, euh, c'est une réalité, mais ce sont les, les pesanteurs sociaux, mhm. culturels, qui font embrage à cette dénonciation. La fille comme la femme, peut-être, elles, elle subissent des violences. Elle Elles subissent euh, des formes de violence et de harcèlement surtout. et quand on regarde aujourd'hui nulle d'entre elles n'est épargnée. Ça peut être euh, dans le milieu scolaire, ça hmm. peut être euh, dans les services, ça peut être partout. En tout cas, ces violences-là existent. Hmm. Ça peut être même dans la rue les, les violences là mm, existent. Mm, mm. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche à ces femmes, à ces filles de dénoncer, C'est ça qu'il faut chercher à comprendre et pour, pour, pour, pouvoir sensibiliser davantage les femmes et les filles. Et je me dis que c'est parce que tout simplement ici au Niger, si ça traîne les dénonciations, c'est parce que il y a, ces, ces, il y a euh, cette situation de pesanteur socioculturelle mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, et il y a également la société. Aujourd'hui, il ne faut pas... Euh, en tout cas esquivé, nous avons une population où on parle de 90% musulmans. Mhm. Donc ce serait très difficile parce que même si nous savons que ces filles sont violentées, mhm. de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle, euh, il y a des femmes mhm. qui ne, croient pas à cette violence de la femme, mhm. surtout quand il s'agit de ces violences conjugales, parce qu'il y en a aussi ces violences jusque dans le foyer. Donc voilà, il ne faut pas perdre de vue, mhm. et je pense que c'est l'accent devrait être mis surtout sur la sensibilisation euh, des parents, la sensibilisation des maris, la sensibilisation des frères, des hommes, de, de, de tout le monde pour que il y ait un sursaut euh, de patriotisme autour mm. donc euh, de cette menace. Il faut plus de sensibilisation autour de cette. Euh, oui. surtout, je voudrais ajouter que il y a l'insécurité. Nous sommes aujourd'hui face à cette insécurité. Mm-hmm. Mais quand on regarde seulement l'insécurité, mais qu'est-ce qui se passe derrière cette insécurité mm-hmm, mm-hmm. Parce que ce sont des femmes, ce sont des filles qui sont exploitées. Ce sont aujourd'hui des filles qui, qui sont euh, enrôlées, enrôlées non pas par leur, euh, leur plaisir, mhm, mais qui mhm. sont enrôlés dans ces groupes terroristes-là. Mhm, Excusez-moi, mais aujourd'hui également, ce sont ces femmes-là que les terroristes ramène pour pouvoir euh, euh, porter des explosifs pour se mhm, faire mhm. exploser. Aujourd'hui, et oui, et aujourd'hui également, il faut regarder ce, nous avons des travailleuses qui mhm, sont dans ces zones d'insécurité là. Comment se fait leur protection C'est ça aussi. Il faut plus de sensibilisation selon Memouna, mais il faudrait également des voies de recours. Est-ce que selon vous, elles, en existent beaucoup ici au Niger et qu'elles euh, sont efficaces selon vous aussi Les voies de recours, c'est la justice. Moi, je pense. Mais le problème véritable, c'est que en fait, euh, c'est un drame silencieux. Ça à dire les gens suivent. Les gens subissent, les femmes, les enfants, ils subissent. mais comme il y a le poids de la religion, des mhm, les présenteurs socio-culturels, on pense que tu ne dois pas sortir pour exposer ça mhm, mhm, publiquement. Voilà. Et ça nuit, Voilà. Parce que même quand vous allez vers la justice, c'est qu'après, quand les gens, l'environnement, l'entourage va apprendre, ah, vous avez entendu une, telle. dénoncé elle a convoqué son mari et on a sanctionné son mari. c'est pas une bonne femme, celle-là. Là des choses comme ça. Alors que la violence, ça peut conduire à la mort. Mhm. Surtout quand ça, même la violence psychologique, ça joue sur la personne, mhm. à plus forte raison, la violence physique. Mhm. Alors, quand il n'y a pas de sanction, il faut faire la sensibilisation, mais malgré tout, parce qu'on est dans un environnement, l'environnement, parce que c'est une mauvaise interprétation de l'islam. C'est une très mauvaise interprétation. Les gens se cachent derrière l'islam pour perpétrer ces genres d'actes-là. Parce que l'islam proscrit toute forme de violence, mm, mm, n'est-ce pas mm. Mais alors, malheureusement, on est dans un environnement où avec des marabouts incultes, ignares souvent, qui viennent, qui font des prêches pour dire voilà, voilà. Alors que non, il faut aller, parce que dans tous les cas, c'est un être humain comme toi. Vraiment. L'enfant qui est là, la fille, c'est pas parce que c'est une fille qu'il faut la faire subir des, mhm. des atrocités. Ce mhm. n'est C'est pas parce que c'est une femme qu'il faut penser qu'on a mhm. un machin sur elle. Moi, je dis, toutes ces questions-là, c'est des questions qui doivent plus être taboues. On doit pouvoir briser ces tabous-là et créer les conditions pour que les gens sentent qu'il y a quand même. Mais un être humain c'est un être humain, c'est la même vie. C'est le même mhm, corps là. Mhm, Quand ça mhm. se blesse, ça se déchire, il y a le sang qui sort. Arimi, est-ce que vous pensez ah. qu'aujourd'hui on pourrait vraiment arriver à prévenir ces violences euh, basées sur le genre dans notre pays Moi, Ou à les éradiquer C'est d'abord euh, les 15 jours, c'est ça 16, jours, d'activisme. Je sais que c'est quelque chose qui marche euh, dans les ONG. Beaucoup d'ONG qui sont investis dans la défense. Euh, voilà. Mais ce n'est pas bien connu. Moi, je pense que euh, la sensibilisation, la communication autour de ces 16 jours parce que mm. c'est énorme mm. et je pense qu'on peut toucher généralement c'est une journée. Mm-hmm on peut toucher beaucoup de monde. je ne vois pas ce qui est fait à l'endroit euh, du monde rural, par exemple. Parce que mhm. là-bas aussi, il y a beaucoup, beaucoup de... C'est là-bas d'abord. Ok. Cela, je ne le vois pas. Mhm. Mhm. Mais aussi, euh, les, gens, en fait, je pense qu'on doit avoir un état de lieu. N'est-ce pas Quels sont les formes de violence les plus répandues chez nous, mm-hmm. n'est-ce pas euh, Pourquoi c'est des violences mm-hmm. Pourquoi euh, c'est répandu Et comment lutter contre ça C'est donc à ce genre d'activité que ces ONG doivent s'y mettre. Justement. Moi, j'ai vu quelque chose qui marche très mm-hmm. bien, que j'ai vu sur une chaîne, euh, bon, je dirais internationale actuellement, mm. en Hausa, qui marche bien, vraiment. On fait contribuer euh, beaucoup de, jeunes filles des villages mhm. euh, des zones rurales, euh, des spots de, sensibilisation. Mhm. Je crois qu'on doit passer par là mhm, et toucher vraiment le plus de monde possible. Et on oublie chez nous, généralement, on considère que c'est une histoire de femmes. nous, on est des fils, on est des papas, n'est-ce pas On est des frères et chacun a des femmes chez lui. Parce que personne n'accepte de faire la qu'on fasse violence au siennes, au siennes, voilà, hein. mais il veut faire la violence sur, l'autre. Donc euh, aussi la violence faite des femmes contre les femmes, ça aussi c'est des choses aussi à, envisager et à lutter contre. Mhm. C'est une triste réalité, mhm. n'est-ce pas euh, Ailleurs aujourd'hui les gens sont à MeToo. Euh, nous dénoncer, parler de ce qui nous arrive. Même mm. nous, les hommes, on a des problèmes encore. À plus forte raison, nos, femmes. Mm. Donc, c'est des choses vraiment, il faut éduquer mm-hmm. nos filles à mm-hmm. aller dans ce sens-là. Mm-hmm. Et ça doit aller, euh, moi je pense, je, crois beaucoup à la sensibilisation à l'école. Et surtout, à l'école primaire, notamment ou au collège. Mm, mm, mm, Ce sont celles-là et ceux-là qui doivent grandir avec ces idées-là, à mon avis. Et ça peut passer, à mon avis. Surtout la dénonciation dont parlait Justement, justement. Donc, vraiment. Voilà, rapidement, le temps, on est, à la fin. Vous voilà. rapidement. Moi, je donne juste un exemple qui a mm-hmm. marché. Je prends le cas Sankara. Mm-hmm. Il a fait de ça une affaire politique. N'est-ce pas Il a fait de ça une affaire politique. Mm. Volonté politique où il y a un jour, les hommes vont au marché. Mm. Par exemple. Tu vas aller acheter et le jour là, c'est toi qui prépares à manger. Mm. Alors, ça a impacté, y compris dans les villages, mm-hmm. parce qu'il y a une sensibilisation autour de ça et c'est devenu mm-hmm. un point d'honneur pour lui. Alors, quand il n'y a pas ces gens, on dit, bon, c'est juste ces jours-là, les gens, les ONG, ils vont dans des petits coins, ils vont avec des financements, machin. Après, quand c'est fini, il faut encore l'année prochaine. Ça peut pas marcher. Il faut instituer des choses comme ça. Mhm. Par exemple, quand je vois, quand on parle de la journée nationale de la femme, ou la journée du 8 mars, la mhm. journée c'est juste à l'occasion de cette journée, mhm. on va voir avec des tenues, des paniers qu'on va confectionner. Merci, Ousseini, Merci. Il faudrait donc que l'accent soit mis sur la sensibilisation pour lutter efficacement contre ces violences basées sur le genre. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce vendredi 8 euh, décembre 2023. Merci à nos invités, Memouna journaliste indépendante, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative et Ousseini Issa, journaliste indépendant. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche de 17h sur nos 52 radios partenaires avec l'actu des jeunes et tous à la FADA. Et à partir de 18h15 les samedis et dimanches, vous suivrez euh, les forums à Hausa et Zarma. La technique est assurée par Mustafa Yuba, la régie vidéo c'est Saka. Je suis fils Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end week à tous. Au revoir.